jeudi 25 mai 2023, chers auditeurs et auditrices du studio Kalango, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalango. À la présentation, je suis Samira Rafi et à mes côtés, Mariam Ibrahim Adi. Bonjour Mariam. Bonjour Samy, comment tu vas Je vais bien, merci. L'édition est assurée par Ilat Ousmana et la technique par Mustafa Ayuba. Alors Samy, dis-moi, il y a quoi au menu aujourd'hui au programme aujourd'hui, nous débuterons avec euh, le flash d'information comme d'habitude et nous suivrons ensemble l'entretien avec euh, Nyagale Bagayoko, présidente euh, de l'African Security Sector Network. Elle nous parlera de l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme. Dans la rubrique Éco des régions, nous irons à Difa, plus précisément à Ngimi, pour parler des préparatifs de la campagne agricole. Il y aura également les lotis, la page sport et la culture linguistique. Chers auditeurs et auditrices, à présent, suivons le flash d'information avec Nafissa Amadou. Bonjour Nafissa. Bonjour Mariam, c'est plutôt Nafissa Damou. Alors, euh, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le prince héritier Frédéric de Danemark a séjourné depuis hier à Niamey pour une visite d'amitié de 48 heures. Dans une conférence de presse co-animée hier après-midi avec les autorités nigériennes, le ministre danois de la coopération au développement et de la politique climatique mondiale a, a réaffirmé la signature d'un nouvel accord cadre de coopération pays Niger-Danemark. Un accord d'un coût de plus de 80 milliards de francs CFA pour couvrir la période de 2023-2027, dont les 10 milliards pour le domaine de l'éducation. Le syndicat des conducteurs routiers du Niger entame ce jour une grève de deux jours sur toute l'étendue du territoire nigérien. Un arrêt de travail pour exiger du gouvernement la satisfaction de leurs revendications. Vous aurez plus de détails dans notre édition d'information de 17h. Enfin, les centrales hybrides solaires diesel de Dirkou et de Bilma de la région d'Agadez ont été inaugurées et mises en service hier par le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables. La centrale de Dirkou avec une L'importance capacité de stockage va permettre d'assurer 24 heures sur 24 une couverture d'environ 180% de cette ville. Quant à celle de Bilma, elle est d'une puissance un peu plus moins importante que la précédente. C'est la fin de ce flash. Merci Nafissa pour ce flash d'information Et comme annoncé en début d'émission, l'invité de euh, ce Niger euh, sur Kalangu est Dr euh, Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, un entretien qu'elle a accordé à Tarnan Foudey Ahmed à l'issue d'une conférence sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme. Mais avant d'entamer cette discussion, un premier tour en musique avec le son Bankonwane de Fatima Rico. Dans cette chanson, elle parle des personnes à double face et attire l'attention donc des gens. des plus belles voix du Niger, Fatima Tamariko ou Fatima Mariko, comme désire l'appeler beaucoup de ses fans, est une artiste chanteuse nigérienne d'origine malienne. Eh oui, elle a donc pas cherché de nom d'artiste, même si certains la surnomment Jana Jana, titre d'une de ses euh, chansons. Elle figure aujourd'hui parmi les artistes nigériennes les plus sollicitées. Son fils Kitari est déjà sur ses traces, comme quoi la famille Mariko résonnera encore sur le paysage musical nigérien. C'était Bakouani de Fatima Rico. Poursuivons cette édition avec la rubrique Entretien du jour avec Dr Nyagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Un entretien qu'elle a accordé à Tarnan Foudé Ahmed à l'issue d'une conférence sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme. Nous venons d'assister à la fin d'une conférence internationale sur l'approche civile euh, dans la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que cette approche euh, stimule Alors cette approche civile met euh, à la fois l'accent sur le volet policier, sur le volet judiciaire, sur le volet politique, sur le volet sociétal, sur le volet économique de la lutte contre ce phénomène qu'on qualifie de manière euh, générale et euh, trop euh, peu souvent argumentée de terroristes. on s'aperçoit qu'au cours des dix années qui se sont écoulées et qui ont vu la région sahélienne sombrer dans l'insécurité, l'accent a été mis avant tout sur une approche militaire de la lutte contre le terrorisme avec une guerre qui a été engagée contre un mode opérationnelle euh, davantage que contre euh, des acteurs euh, politiques qui sont pourtant porteurs d'un combat et d'une idéologie. Je étais très intéressée de voir que durant cette conférence, on a montré non pas seulement les complémentarités qui existent entre une approche civile du traitement de l'insécurité, qui touche aujourd'hui la zone sahélienne, mais aussi euh, sur les limites euh, de euh, l'approche trop militaire du conflit, puisqu'on s'aperçoit que le traitement, notamment judiciaire, de la crise a été trop peu souvent mis en lumière, alors que le cadre, notamment juridique et légal, sur lequel il s'appuie, est finalement beaucoup plus précis pour identifier ce qui relève d'actes terroristes euh, définis euh, encore une fois par la loi euh, de manière diversifiée selon les différents États et qui permet une approche à mon avis beaucoup plus fine. Le meilleur exemple de cela est le fait que les combattants de ces groupes qui sont appréhendés sont très souvent à la fin de l'investigation et du traitement judiciaire relaxés à 90 euh, des accusations euh, de euh, terrorisme finalement ne correspondent pas aux actes qualifiés comme tels par la loi et on se trouve face à un engorgement notamment des tribunaux qui se trouvent amenés à juger de délits de droit commun qui ne relèvent pas du terrorisme. Je pense qu'aujourd'hui il est très important de mettre davantage l'accent sur cette approche civile, cette judiciarisation absolument indispensable euh, du traitement euh, de la lutte euh, contre ces acteurs de violence parce qu'elle permet un traitement beaucoup plus adapté. Si on compare des régions, si on prend le cas de l'Europe, on s'aperçoit que la vague de terrorisme très meurtrier qui a touché le continent européen, notamment autour des années 2015-2016, a avant tout été résolue euh, à travers une approche policière, judiciaire et fondée sur le renseignement. Euh, est-ce que les communautés et les chefs coutumiers ont un rôle à jouer En effet, euh, il est désormais inconcevable de concevoir des programmes de lutte contre l'insécurité au Sahel sans impliquer ceux qui connaissent à la fois les groupes armés et les acteurs qui s'en prennent à eux euh, qui savent très souvent ce qui relève de la criminalité organisée euh, pure euh, ou du combat politique, qu'il s'agisse des communautés locales ou des autorités qui les représentent, qu'elles soient coutumières comme vous le dites, mais religieuses également. Leur rôle est absolument essentiel à la fois dans la collaboration avec les forces armées, donc avec les militaires, avec les forces de sécurité sécurité intérieure, avec les services judiciaires et avec les services de renseignement. Euh, et il est à mon avis très important de mener des politiques euh, d'explication, de diffusion euh, des instruments civils de gestion des crises. C'est ce que fait notamment la HACP, elle aussi, hein, qui travaille beaucoup au niveau du traitement social de la lutte pour favoriser une meilleure collaboration entre les leaders coutumiers et religieux, les communautés et les forces de défense et de sécurité. Avant d'attaquer, d'attaquer plutôt la seconde partie de notre entretien, et notre tour en musique avec le son Full b du groupe Soga. nyaja naba baba, funu berimbe rimɓe e rimayɓe pullo fuuna pullo fulfulde duuna gooto mi noddino hannde fulɓe Soga est un régal musical inattendu. Les voix en chœur des femmes sont une réelle invitation à découvrir les riches amélopées qui habitent les cœurs des Nigériens et les contrées de ces vastes pays de l'Afrique de l'Ouest. Le groupe Soga est créé en 2004. Soga signifie beauté en langue Zarma Songhai. C'est un groupe musical néo-traditionnel composé de 10 membres, dont 5 instrumentalistes, 3 chanteuses et 2 danseurs. Ils ont euh, des albums qui ont été enregistrés sous la direction artistique du maestro Bancano Meiga. du groupe Soga. Après cette pause musicale, continue notre entretien. Dans cette deuxième partie, Dr Nyagale Bagayoku aborde la question des droits de l'homme dans les actions contre le terrorisme est ce qu'inclure euh, ce processus de l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme est perçu aujourd'hui comme un échec de l'approche euh, militaire ou de la militarisation de cette guerre-là Je pense euh, qu'il faut avoir une réponse nuancée à cette question qui, bien entendu, est très importante. On ne peut pas faire l'économie d'un recours à l'instrument militaire, mais il a sans doute été mobilisé de manière à la fois excessive et et euh, surtout euh, parfois indiscriminé, Hein, euh, on s'aperçoit qu'il y a eu une expansion du phénomène, d'abord à l'intérieur des États eux-mêmes, mais aussi dans les zones transfrontalières, que ce soit dans la région du Diptaco-Gourma ou aujourd'hui vers les États côtiers, qui n'ont pas permis un démantèlement notamment des réseaux et une identification de tous les euh, leader, euh, sans doute une approche beaucoup plus granulaire euh, qui est celle promue par les services de police et de justice qui garantit également, à mon avis, ce qui est un facteur absolument essentiel et fondamental, une plus grande prise en compte et respect des droits de l'homme et de l'état de droit qui sont indispensables pour ne pas favoriser l'esprit de revanche, esprit de vengeance euh, qui euh, anime certains euh, lorsqu'ils estiment avoir été victimes d'un traitement militarisé de manière injuste est extrêmement importante. L'instrument militaire doit être coordonné avec cette approche civile et c'est sans doute cette approche civile qui doit devenir première avec un rôle bien entendu d'appui des forces militaires. Aujourd'hui, euh, en cumulant les deux approches, l'approche militaire et l'approche civile dans cette guerre, quelle est la place des droits de l'homme euh, C'est une question euh, absolument fondamentale qui renvoie plus largement à la nécessité de placer les populations civiles au cœur de la réponse à la crise multidimensionnelle que connaît la région. les premières victimes de cette situation qui est très largement insurrectionnels sont avant tout euh, ces populations civiles qui font bien entendu l'objet euh, d'abus et d'exactions euh, de la part des groupes armés, notamment des groupes armés islamistes radicaux, mais qui ont également été victimes, comme on l'a vu très récemment au Burkina, à Karma, d'hommes en uniforme de la part de ou d'individus qui relève des forces armées, comme l'ont euh, indiqué euh, les euh, services judiciaires du pays. il y a eu des exactions également commises au Mali. On se souvient de ce qui s'est produit au Niger avec Inates et l'inscription dans le cadre de l'état de droit de la lutte est absolument essentielle pour garantir ce respect des droits de l'homme tout simplement parce que euh, au-delà euh, des idéaux euh, que je défends, je pense qu'en termes d'efficacité, il est illusoire de penser éradiquer le terrorisme à travers soit la stigmatisation de certaines communautés, soit à travers des interventions militairement totalement indiscriminées qui font un amalgame entre les combattants ou les individus qui adhèrent euh, à une lutte euh, idéologique et ceux qui en sont victimes et qui sont euh, obligés de se soumettre aux injonctions de ces groupes armés islamistes radicaux. C'était là l'entretien avec Dr Niagale Bagayoko. On fait une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur se poursuit cette fois avec la rubrique hebdomadaire qui nous parle aujourd'hui des valeurs de plans pour réaliser de belles images avec son smartphone et ça sera avec Asman Aboubakar. Bonjour Asman. Eh, bonjour Mariam. Aujourd'hui, euh, les gens utilisent quotidiennement les écrans pour regarder des scènes de vie à travers euh, les portables, les télévisions, les ordinateurs, tablettes et autres, et faire euh, des selfies sans connaître les différentes valeurs des plans. Comment se définit le plan un plan est une prise de vue comprise entre la mise en marche de la caméra et son arrêt. C'est une scène de, vie filmée entre deux mots magiques du tournage, et à savoir action et coupé prononcé par un réalisateur. En fait, il faut, il faut comprendre aussi que c'est juste quand on met le rec à partir de vidéo et on met stop. C'est juste le temps d'enregistrement qu'on appelle plat. Alors, quels sont les différents types de valeurs de plan Au fait, euh, nous avons le plan d'ensemble qui nous donne un aperçu général euh, de la scène. Il décrit le décor, où se déroule l'action et où se situe aussi le personnage. Et en fait, ça nous permet d'identifier euh, à travers le personnage son habillement et le décor autour de lui, peut-être ses origines, peut-être son pays aussi. Après, nous avons le gros plan qui s'identifie de, de, l'image et de l'image de la tête. Il faut comprendre par là, c'est juste eh, un, plan qui remplit ou bien la tête d'un personnage qui remplit eh, l'écran. Mm-hmm. Entre autres, nous avons le plan rapproché poitrine qu'on appelle PRP, qui s'identifie de la tête à la poitrine, comme son nom l'indique. Elle est aperçue comme eh, une relation plus intime entre le spectateur et c'est lui qui joue la scène qu'on appelle les personnages souvent. Mhm. Et l'accent est mis sur la partie haute du corps et les expressions faciales. Du coup, on peut comprendre si le personnage dégage un sentiment de tristesse, de joie, d'amour ou d'autres choses. Il donne une vision claire du décor. Nous avons après euh, le plan rapproché taille. Ce plan, comme son nom l'indique, il s'identifie de la tête à la ceinture. On aperçoit dans le décor en arrière-plan quelques situations du décor. Et l'accent est mis sur le personnage sans pour autant oublier son corps. Hmm. À l'exemple, par exemple, de la superbe photo de, de Jack et, Rose. dans Titanic, hmm. de James Cameron, tourné en 1997, si j'ai bonne mémoire. Donc, sur cette affiche, vous apercevez sur le quai euh, euh, du bateau, il y a juste une image vraiment très populaire. Et ça, vraiment, c'est ça qui représente le plan rapproché taille. Ensuite, nous avons le plan américain. Comme son nom le il a été créé à partir de la création artistique du cinéma américain, le western. Et il met en évidence vraiment le, le, le pistonnet et les colts qui portent les armes. Les armes, voilà, qui portent les, les cow-boys dans les films américains. Mhm. Donc voilà, à l'exemple de la superbe photo aussi, comme je peux prendre un exemple, euh, et, le film de... Il y a le film de celui qui poursuit les voleurs, là. Les Dalton. non, pas les Dalton. Quand tu prends, euh, comment on appelle ça, les, trios, là. Le bon, le brut et, les, et mm. le bon, le brut et le triant. dans le film, il y a une action ou une image populaire aussi, où il y a l'acteur principal qui est en train, avec un fusil armé sur euh, son protagoniste, qui, qui est en train de déterrer le butin et mhm. d'une tombe. Mhm. Là, vraiment, vous avez l'exemple typique aussi de l'affiche du film de, de, qui, qui, démontre vraiment le, le plan américain. Mhm. Euh, le plan italien aussi, c'est du jargon aussi du cinéma. On cadre le personnage en pied, mais sans pour autant voir ses pieds. Donc, le principe, c'est quoi De la hauteur du, haut jusqu'en bas, mais jusque ici, on ne voit pas les pieds. Mais sinon, le décor aussi apparaît. Il y a, beaucoup de, de, situations qui peuvent vous rapprocher vraiment très intimement de, du, jeu qui se passe dans, la scène. Mhm. Alors, euh, au cinéma, euh, qui décide euh, du choix des valeurs de plan et pourquoi et, Du point de vue professionnel, mhm. le seul maître du son est et de l'image reste le réalisateur. Le choix vraiment du plan dans une production revient de façon très très stricte et rigoureuse au réalisateur. C'est le réalisateur qui décide, qui demande au cadreur de lui prendre tel ou tel plan. Voilà un peu comment ça, ça se passe. Alors, est-ce que euh, le même principe, euh, c'est aussi pour ceux qui utilisent les smartphones euh, Il faut comprendre ici qu'on parle de l'écran. Et quand on parle de l'écran, euh, on parle un langage universel. Ça veut dire quoi Ce principe de, valeur de plan, il est universel et on ne peut pas le changer. Ça doit être aussi normalement pour les smartphones adaptés, puisqu'il y a des cinémas de films, des, des, smartphones. Et quand vous partez ici, que ce soit en Égypte, que ce soit en Australie, que ce soit en Inde, c'est le même langage. Sauf dans le cas des clips vidéo les clips vidéo, vraiment, on a une liberté de faire tout ce qu'on veut. Mhm. On peut même renverser. Vous voyez, il y a des, clips vidéo où c'est <laughs> l'inverse, ou bien on renverse la tête. Où ça tremble. Voilà, là vraiment, le, gars qui fait son clip, il a la liberté de, choisir la valeur de plan qu'il veut. Voilà, merci beaucoup, c'est vraiment très enrichissant, <laughs> ça me donne envie de faire un film. Merci à Souman pour ces précisions. Écoutons à présent l'orchestre Dangana deux Zender avec la reprise du titre La Barungida. je je

Vous écoutez l'orchestre d'Angana 2 Zender avec la reprise du titre La Ce sont d'ailleurs eux les auteurs euh, des titres célèbres qui ont fait bouger la capitale du Damagaram et les autres villes du Niger. Il s'agit bien évidemment de Meiraga ou le titre euh, Makashamaza dans les années 2009 et 2010. En 2014, zonda a remporté les premiers prix dans la catégorie orchestre au prix de Dangourmou Atawa. Sam, direction Ngla pour le sujet régional. Ngingimi, dans la région de Difa, comme les autres localités du Niger, quand la saison pluvieuse s'approche, les agriculteurs se préparent en achetant leurs instruments aratoires. Il s'agit euh, pour la plupart des cas des roues et des dabas. C'est l'occasion aussi pour certains de chercher l'engrais et les semences. Reportage depuis Ngingimi avec Abdoulaye Mena. A kowace shekara idan lokacin damina ya kusa manoman jihar Difa na yin shirye-shirye domin tarbar ruwan farko saboda yin shuka. To shin kowane irin shiri ne manoman garin Gegime suka yi a wannan lokaci? waɗansu manoma da muka haɗu da su sun bayyana cewar. Lalle bana mun shiri na musamman duba da cewa damana gata nan ko yau ko gobe. Abu ne wanda aka saba dole ne a yi tsaya a yi shiri mai kyau. Surtu bana da muka samu tallafi a wata ƙungiya mai kama ma manoma. To wannan abun ya sa mun ƙara kwazo a kan da saboda banan muna tunanin in allah in dai ba wani sauyin yanayi ba za mu noma abinda a baya wallahi ba noma ba saboda mun samu kayan aiki wani sharar da sauran kayayyakin aiki dai wannan dai na noma duka mun samu kasan da yake noman ya kasu ya rabu akwai farko farko kamar lokacin da ruwa ke zuba shi wannan muna shi su hatsi wake da su wani yakuwa kubiya dai duka dai irin wannan abubuwan na damana muna saka a matsayina na manomi muna yin bakin kokarin mu amma gashi nan muna share-sharen gonan mu kuma Allah Allah ya tabbatar mana da damuna mai alkhairi amma kuma matsalan inda muke tafiya da yanzu muna tsoro gaskiya sakare da Allah eh kuma muna fuskantar barazana iri-iri ni abu da nake so da gwamnati ta duba mana kan lamarin nan inda mu muke tafiya da nomo da sauranmu ta kula da abun sosai ta karfafa karfin hali yadda za ta fuskanci wannan abun kowa ya zumna lafiya ga noma ga komai ga kiwo ya kamata muna so gwamnati ta duba mana harkan nan kuma ga iri muna da matsalar iri eh, iri na gona wanda zamu je mu shifka saboda damuna eh, muna da matsalar taki sosai ma taki abun da wanda ake ba mu da muke sayan ke abun nan kuma karfin ka na kuma gonan ba ta take yi ba wani bangaren ka ka duba gonan yana da taki wani waje ba shi da taki kyan su ma da wani tashin su ma da daban ne alherin da yake bota ma daban daban su ma makera na samun nasu rabon a wannan lokacin wajen sayar da kayayyakin noma a fadar faki bukar da ke zama wani makeri a nan garin gegime. Eh, a nan gegime da damuna da in ya zo alhamdulillah duka ma alhamdulillah ga nan su hawuya su fartanya su gatari duka da yawa alhamdulillah suna dauka in ya kai lokaci masha suna dauka muna samu amma duk da haka da abinda muna nema bukata da bamu da karfi yanzu karfuna wannan da yanzu karfi akwai sahara gare shi ne inda muna ya samu mu samu karfuna amma in muna jira su hawuya su gatari su fartanya alhamdulillah kasuwa wannan gege mai da zai tayya fartanya abin da muna sayar da shi muna sayar da shi akan tsari muna sayar da shi ka biyu biyu amma muna akan guda da muna da dari biyar muna sayar da su haka muna sayar shi. ta ɗaya ɓangaren kuwa ƙwararru na ba da shawarwari ga manoma gambo adam wani ƙwararre ne a fannin noma. to ba abin da ya kamata abin da za su tasi su yi a je a gyara gona lokacin a nemo gyara an gyara gona ruwan sama kamar ya kusa sauka ya sauka wannan iri mai inganci a samu iri na kwana arba'in hannu shi iri na kwana arba'in wannan an same shi kamar ruwa ko ya yanke ma da wuri wuri wannan in an shibka shi shine mai inganci wanda yake kawo da wuri wuri amma irin da wani mai sai iri na yamma da suke wannan wannan kona saba'in su wannan nan ba zai yi ba a samu inganci kona arba'in wannan mutum ne nemi irin ya aje shi bayan ya aje irin kenan ka shirya ka gyara gonan ka yi irin damuna yau in ruwa ya sabka ma za ka je ka dauko ka shibka kayanka daga bayan ka shibka kayanka kenan kana nan kana tsaro dabbobi kana nan kana tsaro kan kayanka kana kula nomanka kuma ba in kayi aikin ma ba za ka zo ka kwanta a gida ba sai ka yi ta tsoro gona ka kana nan kana sa ido da sahi in ka ta yi da murace ka zo ya kamata eh manoma su kula noma dai na ɗaya daga cikin ayyuka na gaba-gaba ga al'ummar jihar difa duk da haka da yawa daga cikinsu suna buƙatar samun dama ga kayan aiki da iri don inganta amfanin gonakin nasu ina ganin muna da abdullahi maina akan layi assalamu alaikum abdullahi Aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna layya. Alhamdulillah Samira, ya aiki. Layya lawa layi shin kun samu ruwa ne a can gingime? Eh to dai da alamu eh, babu wani ruwa dai takamaimai da za a kiraye shi da ruwa da aka samu a nan gingime sai dai eh, a shekarun jiya da daddare an dan samu eh, yayyafi a nan shi garin gingime din kenan. To madalla a ah, bisa kan matsalar harkar taki da gona kai a ganin ka san da ka shirya wannan rahoton wayanne matsaloli ne suka fi damun manoma da su makeran ma da na ji suka yi magana eh malam eh, malama eh, samira kamar yadda ku da mu da masu sauraro duka muka ji a cikin wannan rahoto da na gabatar eh matsaloli da ya shahi taki gaskiya abu ne wanda a kowane lokaci manoma na jihar Bikin musamman na garin Gegimin suke ta kuka da shi. wanda zaki gani idan wannan lokaci na damana ya dan fara kankama zaki gani kawai manoma a kowane bangare suna ta ka tashin da sun samfiri da kuma eh, abin da ya shahi shi tashi na zamani bangarorin gwamnati da kuma kungiyoyi masu hannu da shuni su kuma bangaren kamar makera da kika dan tabo batun a nan dai gaskiya sai dai a ce alasan barka kamar yadda sai daga cikin makera ya yi bayani a cikin wannan rahoto zaki gani a kowane lokaci mutane musamman ma 'yan uwa manoma suna na a bangaren su wannan makera domin sayan abubuwa wanda za su yi aiki na noma da shi kamar fartanya da rato da felo da fantariya da dai abubuwa haka da su gasari da zai makamantan makamantansu. To madalla shin eh, a wani zuwa wannan ranar da ta yan uwan da kaka ce dai an samu an samu wa'anda suka yi shuka ne? Gaskiya akwai wa'anda suka garzaya domin ganin sun shi shuka eh, albarkatu Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Passons à présent à la page sport avec notre chroniqueur sportif Gourouza Hassoumi. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour euh, Myriam, bonjour euh, Samira. Bonjour euh, Gouza. Aujourd'hui, euh, nous allons parler euh, d'une jeune sprinteuse nigérienne. Oui, elle s'appelle Amsatou Bourema Isifi. Élève en classe de terminale, la gazelle parcourt les distances de 100 et 200 mètres. Amsatou Bourema Isifi a commencé d'ailleurs à pratiquer l'athlétisme il y a deux ans et elle a participé à plusieurs compétitions nationales et internationales au Ghana, au Togo, où elle a d'ailleurs remporté la médaille d'or. Amsatou est suivi par deux entraîneurs, Ousmane Abdoulaye et Jérôme Lambert. L'ambition de l'athlète, c'est d'assurer la relève de la star nigérienne Aminatou Seni. Gourouza, deuxième défaite des Nigériens au tournoi IFOA i 20 à Accra au Ghana. Oui, Myriam, les gazelles du Niger ont perdu face au Burkinabé euh, sur le score lourd de 8 buts à 0. C'était hier dans la capitale ghanéenne. Pour rappel, lors de la première sortie des Nigériennes, elles avaient perdu également sur un score lourd de 7 buts à 0 devant les Nigérianes. Deux sorties, deux défaites, 15 buts encaissés, aucun but marqué. À dire que le Niger a du chemin à faire sur le foot féminin. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Gugosa pour ces informations. Après les sports, partons dans les dandy à Gaïa pour rencontrer une jeune femme du nom de Saadatou Kasso. newo irgu hajiya sa'a kwarno dan kan waibor yankan gabi sun gaibor waranka ga kaga hinayen dondon sa'adatu kan kango inga jiri waran zaira amantikala waibor no kan gaba da kayan yadi mono agba inga mun inga kyal waibor gerai dondonan di beira kan go a sai da kayan fandara ne newo amana dondon kala ikwalo kayan ga hinayen dondonan di giri daidin kan bisara wani gida da ake ce ma gidan gwaninta na koyi kala girke-girke da dama na yi francophonie gidan gwaninta na yi wata mata da ta hito daga birkina ta buɗe wajen girke-girke ita ma nan yamai na yi sonisi na yi kuma kalle waje dai wuri uku na koyi girke-girke ina da kuma takardar shaidar samun kwarewa na kai shekara goma ina koyon girki akwai mata aure akwai kuma waɗanda suke shirin aure 'yan mata da aka kama kudin arme to duka muna koya musu girke-girke abincin gargajiya da na zamani duka muna yi saboda girki yana da matukar muhimmanci a rayuwa aure kwarai da gaske kuma yana sa mace ta kama mijinta yana sa kuma miji ya so matar shi nuru kan waiware gaba bana dai inga ta zambar fo girbi iya hinka ga ka girbi iya hinka ko ni sa'adu tiki yan wuga nuru dindina margu a si furkala mi zai kwanzo yan fondara kasudin ma da yasa aka shiga yin formation kinga saboda taimakon marayu tunda muna formation an link sannan kuma kudaden an sami same su muna da kes da ake samu marayu da abincinsu suturarsu Wabarai dohara dai ifamin dirse kan gai guguma daga da kayan aiwo dondon yanka ne na rakiya a yau mun yi pizza mun yi pule sumbala mun yi te glace mun yi te show mun yi jus da bui ole da koko to gaskiya alhamdulillah yau na karu sosai saboda akwai abu da yawa sai dai in gane su tele hakan ga amma yau dalilin waga formation in na gani kuma na koya in na tahi gida zan iya maimaita su da kaina sa'adatu ki yan waga dai a an gamin gala kwalo randi wai burfar mu da wudu fondo kan ga kajin gaibon hantum alatu mi zai kwanze mumu makwai da gina Comme vous l'avez compris, la spécialité de Saadotou, c'est la cuisine et elle a ouvert euh, cette école d'apprentissage de cuisine moderne et traditionnelle en faveur euh, des orphelins. Et c'était notre correspondante de Gaïa Ramotou, Issa Wenke, qui nous a dressé son portrait. Merci à Ramotou pour ce portrait. En tout cas, dernier tour musical avec le titre La Morinso de l'orchestre Carnaval de Maradi dont le leader vocal se nomme Popeyaro. On écoute. someone is right. À présent, le lati euh, du desk femme du studio Kalango qui parle aujourd'hui euh, des époux qui fouillent et refouillent le téléphone de leur conjoint. Nombreuses sont les femmes qui cèdent à la tentation et fouillent dans le téléphone cellulaire de leur conjoint. Certains maris aussi le font également. Mais euh, pourquoi font-ils cela en sachant que le portable reste quand même un outil personnel et privé À ce sujet, j'en ai discuté avec Rekia Arimi. Lotzi, Lotzi, Lotzi, Lotzi, Lotzi, Lotzi, kan baga si su go fira mun gaishe si kan bano a gafirin firin da ai dai mataran go mataran go he alisa ni ga sabu mu zaga yayi gore salam aran sigama hey bogo na ngai sai duwano ai wo hankan go gai lakal zaguwa ne <laughs> amanto kiyan ifano go te da tira ni go dai ga haifo yan hantum hantum la sabu beri koi no te. bogo nan ma manti haifo la an hankai goce ci dai no tayim kan baga su sugo ai ma feri ga kwado kara man gaise ni ma feri mata no ni tay ga dirnya matukan ni gin kan basi siro ferin da a a man tay wonno ai fu koyo wonno girbai wo ai si ga fahama si no ba kai nufo a go fure si haifo ya ga kai sabai da hey alisa ni fu koyo kan basi siro hey alisa ifo no ni go gite teda wallahi ni gite don dai bai din terawo fa hey ni nakkal kanan dai coga sunda ai gaba nai ga wasi ga feri ai ma yeti za a mantun jirbi irkoi mini ya fa ya dinga kal dai dinna feri gadi hankan gara he he he irkoi sai lakal kanan da si nigin da yeti ganda nims koi ga tunan di jirbe si hini hmm, wallahi ate alwati kai na ago sai har yanga kan ai sabai da wasika bobo hantum yan kalce yan bobo dini ce boda gutu ne jar gano lai mun bai ma hankan goce ai ga bai kan kutuke kut izu fose na goga hantum ka daidai bai mai no goce cika fugai wani farora he irko bere ni goga bai hankara ni ba ni min bon ketumo wallahi amante wone si bori ni fu koyo si mani kani he wone mun ta kullu wadda sai no ainan kala jirbi inga ne koyi kakan baga ci su go sambuka gona matukan ni goga tabinda ni kale kultunu dimbai kan agu fakarai da wandifu aga tansiyon da yan kul da niga man tiya din mono ninin bon taban di yamu yamu kwai ne din koyo dinin ni bai kan askana sai ba kaina aranga makiyar dori niga nana kan gwa aranga marasara hmm, chogo wallahi niga cim ni bai mu zamantin ne go hayo bambo wati kulu ai gidi ga guna matkanu agu tegin kan baga su goga feri halga ka samun gaisi <laughs> bante wai kuru hai kan man kwai amanto ni hmm, nigi cim wallahi cimi no fa to gune don da yadin wasa yadi masine nigi don da ai hmm, man ta don di kerai no kero nin da wai borai kulu kan ga ingai fu yi kan ba basi sirai feri wa bai kan hari no kan ga aran gora sara bisa hai kulu yadi no chogo ai sabu gumo da kan nika irkoi hinna no ga bai hankan ai koy gidi wal hankan gate <laughs> don kan nim di gabdi fogo ga mo kara se no dine ai gidi hankan rani ga furomi eh bogo nan wadi ne singa sambunan nan ayya ni suka ga yayi sefa ha to walla chogo <laughs> C'était là le loti euh, du desk femme du studio Kalango. Retrouvons maintenant Abdul ali pour la culture linguistique. Avec lui, nous allons découvrir euh, ce que signifie le mot débroussaillage. Bonjour Yali. Bonjour euh, Mariam. Donc en culture linguistique, aujourd'hui, nous avons le mot débroussaillage. Débroussaillage est un mot masculin et alors on dira un débroussaillage ou le débroussaillage ou le débroussaillage. Donc, euh, c'est une technique euh, culturelle qui consiste à ameublir le sol et à réduire les matières végétales de toute nature, herbes, branchages, feuillages, qui se multiplient dans une récolte, une culture. Bref, c'est une action pour préparer le champ avant de s'aimer. Au Sahel et particulièrement au Niger, en mars ou voire avril, qu'un paysan déboursaille son champ seul ou en organisant un travail collectif. pour nos auditeurs et auditrices en fulfulde nous dirons pour débourssayage jorade guesa mo nder joraki guesa ni neɗɗo no feƴƴa leɗɗe fiya dudubaji daƴƴe gam siryade guesa kan endan fadde dungugo endan warde ɗo ni leydi nigéria lewru avril na lewru mai yaade lewru mars ɗuɗal himɓe remoɓe ɗo enda leydi nigér joroto guese mu en woɓɓe gaɗa ɗum kan en tan woɓɓe dow gaɗa bowu Voilà donc ce qu'on a. Merci beaucoup euh, Nelly, c'est très enrichissant bien que j'ai pas compris la fin. <laughs> à toi Mariam. Chers auditeurs et auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Dans cette émission, nous donnons aussi la parole à nos auditeurs. Mariam, on écoute quelques-uns. sunana abdulmajid ibrahim ni mazaunin garin banda kuma gaskiya ina ji daɗi irin yadda nake sauraron studio kalangu ta hanyar radio mai kirawa dan gaskiya ina jin daɗi sosai ba don komi ba saboda a harkokin su babu nuna bangaranci da farko dai ina ga da abokina wanda ake ce shi Musa Mama Inusa shi ma mazaunin garin Banda ni kuma ma'abocin sauraron eh, studio Kalangu ne eh, na biyu kuma akwai wanda ake ce ma Musa Nuri shi ma ma'abocin jiyar studio Kalangu sosai gaskiya ni ne Ahmadu abdurrahman mazaunin garin Banda ni ma'abocin sauraron studio Kalangu ne musamman shirye-shirye da studio kalangu suke yi akwai bangare deva akwai kuma bangare ta yare guda biyar da ake yi musamman gaskiya harkar studio kalangu mu muna sauraron su ta bangare na abubuwan da suke shirye-shirye na gaskiya ne wanda dira ta kawo wanda labari ne wanda na asa da ake badawa muna jin daɗin amala kuma muna jin daɗin sauraron su da kyau kuma akwai ma'abota sauraron studio kalangu bangaren banda akwai abdu dan bariki akwai wani petit ina ana ce mishi akukuli akwai kuma tonton ina a niyame ana ce mishi ali mutari tayar jihar. Assalamu alaikum da farko dai ni sunana Muhammadu siraji Shaibu Madugu na garin birnin Kwani. Ni ma'abucin sauraron gidan Radio Kalangu ne, Studio Kalangu. Muna jin gaskiya daɗin shirye-shiryen su gaba ɗai da abubuwan da suke yi, surtu abin da ya shahi matasa da me su dai. Muna jin daɗin su gaskiya sannan ga labaru da suke bada ta kowane yare shi ma dai wannan abu ne wanda gaskiya muna jin daɗin shi sosai da sosai gaskiya abin da zamu fata dai da studio kalangu shine gaskiya su rike program inda suke nan ga diffuse gaskiya lahiya lau ne abu ne wanda yana kawo ci gaba har dai ma ga matasa shasa muna so su ƙara abubuwa wanda za su dinga taimakon matasa ma dai haka shi muke fata da studio kalangu Ça fait toujours du bien de finir sur une très belle note comme ça avec des encouragements venant de nos auditeurs. Vraiment, ça fait plaisir. Ici prend fin cette émission de ce jeudi 25 euh, mai 2023. Vous étiez en compagnie de Samira Rafi et Mariam Ibrahim Adi. L'édition a été assurée par Notre-Dame de Fer, Hilatou Soumana et la technique par Mustapha Ayouba. Très bon après-midi. Mais bye avant de vous laisser, Mariam, on va pas laisser nos invités comme ça. On va reprendre le son full B. On n'a pas bien chanté, bien bougé, donc on va clôturer avec euh, cette musique et dire bon après-midi à nos auditeurs. Bye bye. nyagana basudu inna na basudu baba fulɓe rimɓe e rimayɓe pullo fuuna pullo fulfulta duuna gooto mi noddino hannde fulɓe